pour le cas de nos périmètres rizicoles, à ma connaissance. Ndartaran teksanana, on a karazan tafat, on lar, et à son jambala, nartilaberi, waigrao, angainaman, arosu kwaizgarandi, anamerti à l'aman, irkaban. Tiditasu yadi texa or nekaz senechek, egasarwa or ingro tax d'angainaman. Nikinar tuan freg, et c'est sigri, mos coopérativen, osanadu, gurna, et gefanawarnaman, et tiwad gazan, anasenamukohedasenugu, nafenart nazraf, wala jamosas, rosuman de frichel, felis du kunigefon, wala jamosas buhutan, karninamadal, felis du kunigefon, ونرزني إيجا سنقن الى سنقن روح الشغلة ونزورني دقيقة فويني لجامن ونها ميرا سوراني تكسوين انتفقت نلا أغرف أننا وياد ورنها ماس نتكسوين نقراوي سلان دقي بومبا دقا كالنجايا دنجو دوجي كل إماجيا كان ورنهي تكسوينا قدنا انتناما تاغرة تنجنزو ولن دازل إتيوانا نكتكسو يجين چنتاما تغسر نقوتني غندس فلاس أغالي كارزن تفقت إجيلا ويادورو إغانتاكي وغاماس تغسر نيجين إغاندي تاغرة تنجنزو أمان سسر نيجيريا Gamadan, akadur newed i nigeria walas mos ur newed smosa tumuran kilo i nigeria nana na as amand falni shida a jongen sirsan wargedigan hani gefan man, ahan i taksan qasdahan i tiksan uruweq wala felasar toe tawaqanaman i gefan to urtinilen wini gefan aqalin karazane gas umos gansa'a urtini gidneanaman khalas umos ur ganibansaawey atinin bulanaman umukwasis deetakaswey asijwaran irkabanaman aqalin kadigironi tiksanasan umos warginki urigarat les gens peuvent récupérer leur production au cas contraire, je ne vois pas de solution.